le forum du studio Kalangou. le forum du studio Kalangou. le forum du studio Kalangou. le forum du studio Kalangou. le forum du studio Kalangou. le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangou. le forum du studio Kalangou. le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou l'émission qui répond donc à vos questions que vous posez régulièrement. Le thème d'aujourd'hui porte sur la contribution des journalistes nigériens en vue d'élections apaisées. Quel comportement le journaliste doit-il adopter en période électorale Comment l'État et ses partenaires s'activent à mieux préparer les hommes de médias pour une meilleure couverture médiatique du processus électoral quelles sont les bonnes pratiques euh, et celles qu'il faut bannir concernant le traitement des sujets relatifs aux élections. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le, plaisir euh, de recevoir euh, dans ce studio Suleiman Bra, représentant de la Maison de la Presse. Suleiman, bonsoir. Bonsoir, Fatih. Seydou, Seydou Jibril, autant pour moi. Bonsoir, Seydou. Bonsoir. Habou Adi, journaliste à la voix d'Israël. Habou Adi, bonsoir. Bonsoir Fatih. Et là, voilà, Ismail, euh, conseiller technique euh, au Conseil supérieur de la communication. Monsieur Lawal Salah Ismail, bonsoir. Bonsoir. La présentation est assurée par Fatih Zakari. Les élections générales 2020-2021 débuteront au Niger avec les locales prévues le 13 décembre 2020 et le premier tour des présidentielles couplées aux législatives interviendra le 27 novembre. 7,4 millions d'électeurs seront appelés aux urnes pour ces élections auxquelles se prépare activement le Niger. La période électorale est un moment très sensible où l'ordre et la tranquillité sont souvent troublés par euh, les camps rivaux en compétition. Les hommes des médias, en l'occurrence les journalistes, demeurent des acteurs incontournables dans la prévention et la gestion des crises pré- et post-électorales. Car en période électorale, les manipulations de l'information et de l'opinion où l'instrumentalisation de celles-ci sont fréquentes. Les médias ayant une influence certaine sur l'opinion publique peuvent aider à éclaircir les zones d'ombre et désamorcer les tensions entre antagonistes à travers une information fiable et impartiale. C'est ce rôle que nous allons essayer d'analyser auprès donc de nos invités. Chers invités, dites-nous donc euh, quelles sont les responsabilités qui incombent aux journalistes dans un contexte électoral comme celui que le Niger s'apprête à accueillir. Je commence par vous, Seydou Jibril, vous êtes journaliste. Merci beaucoup. Je pense que les responsabilités qui sont celles du journaliste en période électorale sont les mêmes qu'on attend de lui, même en période dite normale, entre guillemets. Ce sont, euh, disons, ce sont des comportements qui sont liés à, l'exercice professionnel de son métier. Quand on parle d'exercice professionnel, c'est d'observer un certain nombre de, critères comme euh, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est de collecter une information bien sourcée, c'est de faire preuve d'un surcroît d'objectivité, d'impartialité et d'équilibre dans le traitement de l'information. Vous avez parlé de camps rivaux. Mm-hmm. Euh, ce rôle devient encore beaucoup plus sensible quand on est en période électorale mm-hmm. parce que c'est une période d'intense rivalité mm-hmm. où euh, un mot mal placé ou euh, une parole mal placée, cela peut exacerber les, tensions et aboutir à des situations euh, malheureuses. Donc c'est pourquoi en ce moment les médias, ou disons les hommes de médias, sont invités à euh, revoir, euh, en tout cas au quotidien, les principes qui fondent ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie. De, disons du journaliste. Suleymane Bra, vous représentez la maison de la presse. Quelles sont les responsabilités qui incombent aux journalistes dans le processus électoral Comme l'a dit Saïdou, les responsabilités, je pense, première pour les, pour les journalistes, c'est surtout le respect des principes qui fondent euh, notre métier, mhm. qui est celui du respect de l'éthique et la dontologie. Mhm. il y a quand même euh, un certain nombre euh, de critères euh, qu'il a quand même énuméré Et c'est ça que les journalistes doivent quand même euh, respecter pour bien faire euh, son travail, surtout en période électorale. Il y a la question de l'équilibre de l'information qui est quand même, c'est très nécessaire, c'est important mhm. d'équilibrer l'information, les sources aussi. Et les journalistes aussi doivent quand même observer une certaine impartialité parce qu'il ne doit pas euh, être partiel vis-à-vis d'un camp, prendre tout parti, j'allais dire. Il doit quand même aussi être euh, neutre, c'est-à-dire euh, de traiter l'information telle qu'elle. Donc je pense qu'en respectant les principes de notre métier, qui sont l'éthique et la déontologie, c'est la meilleure façon d'apporter sa contribution. Abou Adi, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à, donc, ce que vient de dire euh, nos confrères Oui, la responsabilité des journalistes euh, en période euh, électorale, moi je dirais qu'elle est grande. Mm-hmm. C'est une grande responsabilité mm-hmm. que les journalistes ont pendant des élections et, surtout mm-hmm pendant et après les élections. Surtout que nous sommes dans un contexte euh, un peu particulier. Mm. Et je dois surtout féliciter la presse euh, nigérienne qui a de 91 à aujourd'hui observé un comportement franchement responsable mm-hmm. et surtout ce comportement est basé sur le fait que la plupart des journalistes, les journalistes que nous avons sont passés par une école ou un centre de formation. C'est donc des professionnels qui ont appris le bas du métier. donc, euh, ils n'ont pas droit à l'erreur. Et ils le montrent tout le temps. Moi, je pense qu'on peut, dans un premier temps, les féliciter et leur dire maintenant, nous sommes dans un autre contexte un peu particulier à la démocratie, à l'insécurité et à le système partisan qui sont tous là. Il faut redoubler de vigilance en observant tous les critères de l'information, les critères liés à la, à la collecte et à la diffusion de l'information euh, euh, qu'ils ont appris dans, au niveau de leur centre euh, ou des écoles de formation des journalistes. C'est très important. Voilà. Lawal Ismaël, euh, quelle responsabilité incombe aux journalistes dans un processus électoral Oui, <coughs> Fatih, euh, Céd Jubril l'a dit, la responsabilité du journaliste euh, se fonde essentiellement sur les règles du métier, mm-hmm. les règles éthiques et déontologiques. Mais au-delà, vous savez, les périodes électorales sont des périodes qui sont caractérisées par euh, l'abondance des discours des acteurs politiques et conséquemment l'abondance des productions médiatiques. Et quand il y a une abondance de production médiatique, naturellement, il y a des risques de dérapage. Donc cette période est considérée comme sensible, comme vous l'avez dit, du fait que avant, au cours et après les élections, il y a toujours des risques majeurs de crise. Et la responsabilité qui incombe aux journalistes, c'est d'abord, premièrement, être responsable face au traitement de l'information. Puisque le journaliste, avant d'être journaliste, est d'abord citoyen à part entière. Et en tant que citoyen, il doit contribuer à la prévention des conflits. Et du reste, dans la constitution nigérienne du 25 novembre 2010, obligation est faite à tous les médias, qu'ils soient publics ou privés, de préserver la paix. Autrement dit, dans le traitement de l'information, puisque les acteurs politiques produisent des discours, produisent des messages, mhm. que le plus souvent les médias relaient. Et dans, leur, euh, dans, dans le relais de l'information, c'est là où on doit faire preuve d'impartialité, de neutralité dans le traitement de l'information et surtout de responsabilité pour éviter d'attiser. Puisque, vous le savez, euh, les médias ont été à certains égards des amplificateurs de conflits, mhm. des amplificateurs de tensions et de crises. Ils ont été aussi, dans certains cas, quand même des modérateurs, du fait qu'ils jouent un rôle d'apaisement. Mhm. Donc, au cours euh, du processus électoral, la conduite que doit tenir le journaliste, et c'est du reste recommandé par l'UNESCO, c'est également recommandé par de nombreuses organisations mhm. qui éditent euh, des guides de conduite de journalistes pendant les périodes électorales, c'est, Suleiman l'a dit, mhm. l'équilibre de l'information. Faire place à la pluralité d'opinions, de façon à ce que l'auditeur, le téléspectateur, euh, euh, soit suffisamment informés au nom du droit du public à l'information mhm. et qu'ils fassent un choix éclairé. Mhm. Donc le débat que la contribution que les journalistes peuvent mener, c'est des contributions non pas sur des discours incendiaires qui peuvent enflammer, qui peuvent porter atteinte à la mhm. paix, mais c'est des discours d'apaisement reposant essentiellement sur les programmes des différents candidats et des partis politiques. Oui, monsieur Abouadi. Euh, Fatih, je voudrais ajouter par rapport à ce que monsieur Sallaw a dit, je voudrais ajouter que quelle que soit l'abondance euh, des faits, de l'information, mm-hmm. le professionnel n'a pas droit à l'erreur. Mm-hmm. C'est un métier qu'on a appris et qu'on exerce depuis des années. Mm-hmm. Donc, le contexte démocratique n'est pas nouveau pour les journalistes nigériens. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a l'habitude de le faire. Mhm. mais il faut rappeler aux journalistes qu'ils doivent redoubler de vigilance et continuer à exercer leur métier comme ils l'ont toujours fait. Les journalistes nigériens, je pense qu'on a toujours été responsables. Mhm. Hein? est dans le traitement, la collecte, le traitement et la, diffusion, de euh, l'information, en équilibrant. L'information doit être équilibrée. Si vous tendez le micro à un chef de parti ou à un membre d'un parti politique qui insulte quelqu'un, bon, d'abord les insultes même, c'est pas notre culture, c'est pas nigérien ça. Dès qu'il y a des insultes, on dit ah monsieur, ça ne va pas, c'est pas nigérien. Donc dès qu'il y a des propos qui vous semblent un peu tendancieux, mais vous êtes obligé de chercher l'autre bord pour équilibrer, votre information. Donc, moi, je pense que euh, la presse nigérienne euh, euh, doit se préparer. Elle est déjà prête, mhm. s'il faut le dire, hein, doit se préparer à faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Oui, Monsieur Abouadi, les électeurs ayant besoin d'aller voter dans un climat apaisé, ont donc besoin d'avoir des informations sur les candidats, les partis politiques, de même que leur programme, afin de faire son choix. Comment les professionnels des médias doivent donc assurer cela Oui. Et donc, pour assurer donc euh, ce que vous venez de dire, mm-hmm. les journalistes nigériens ont à leur disposition euh, un certain nombre de euh, euh, un certain nombre de formations. il y a d'abord la formation. Mhm. Hein, ah, on les prépare hein, avant ces élections-là, et c'est la maison de la presse qui est en mhm. train de le faire. Et ensuite, il faut aller auprès des gens qui sont qui détiennent les détenteurs de l'information. Mhm. On ne prend pas de euh, l'information comme ça au hasard ou sur des journaux tendancieux Hein, des journaux vraiment qu'on jette souvent dans les poubelles. Hein, il faut aller vers ceux qui détiennent l'information, avoir la vraie information avant de la divulguer auprès du grand public qui est libre de faire son choix. Monsieur Bra Oui, en fait, ce que je voudrais ajouter par rapport à cette euh, question, c'est vrai, le rôle euh, du journaliste ou bien des médias est mhm. quand même... Euh, euh, important. Mhm. c'est pour cela on dit que euh, la presse est même l'oxygène euh, de la démocratie. Mhm. Donc c'est lui qui est censé informer, et éduquer, sensibiliser, mhm. doit en amont être quand même formé. Donc cette formation doit se faire à mon niveau, au moins deux à trois niveaux. Le premier niveau, c'est surtout le renforcement des capacités par rapport à nos textes, les fondamentaux de notre euh, métier. La, deuxièmement, c'est avoir la maîtrise euh, de tous ces processus, c'est-à-dire un journaliste quand doit être euh, informé des, des par, par, exemple les institutions qui sont en charge de ces élections, si c'est la CNI il doit aussi être euh, informé du mm-hmm. fonctionnement, par exemple, du CNDP mm-hmm. et les programmes des partis politiques aussi. On ne peut pas informer sur un parti politique pour euh, avoir la maîtrise du programme euh, de ces partis politiques. Bref, le journaliste doit avoir cette maîtrise. Maintenant, le troisième niveau, c'est au niveau du traitement de l'information qu'il doit mettre en œuvre. Tout ça là pour au moins se donner une bonne information. Mm-hmm. Et nous, c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de la maison de la presse pour au moins renforcer les capacités des journalistes que ce soit sur euh, la question de l'éthique et de mm. ou bien sur les journalistes sensibles au conflit surtout en période euh, électorale. Et moi, je pense que il faut quand même qu'on arrive à former les journalistes pour mm-hmm. qu'ils maîtrisent les fondamentaux de notre métier et ensuite qu'ils aient au moins la maîtrise de tous ces processus pour au moins euh, informer les publics, puisque les publics a droit quand même à l'information. Mm-hmm. Et a droit à cette une bonne information et non de venir donner une bonne et une mauvaise information parce que un journaliste n'est pas un propagandiste il n'est pas là pour euh, quand même euh, semer s'aimer mhm. les troubles il n'est pas là pour euh, prendre parti pour un camp et vous voyez c'est vrai c'est que a dit a dit mhm. mais quand on regarde la situation actuellement ce qu'on est là en train d'observer mhm. moi je pense qu'on doit redoubler d'efforts on doit quand même euh, être euh, vigilant et prudent mhm. parce que on voit qu'il y a des comportements qui ne pas. Je voudrais, juste dire que par rapport à la question que vous avez posée, que mhm. c'est comme, une, euh, comme un cas pratique, hein. mhm. je suis un peu nuancé par rapport à, l'optimisme de, mon confrère Abou Adi pour dire que nous avons, en tout cas au Niger, de plus en plus une presse euh, qui se polarise. Mhm. Et quand on lit euh, notamment euh, certaines publications, on voit que de plus en plus, il y a une politisation à outrance de l'information et ceci n'est pas de nature justement à, garantir un traitement équilibré, responsable mhm. de l'information en période électorale. Et les journalistes aussi, euh, basiquement, un journaliste doit être pourvu d'une certaine culture, euh, j'allais dire générale. Donc vous ne pouvez pas euh, prétendre traiter de l'information électorale sans connaître d'abord qui sont les acteurs qui sont en jeu, quelles sont les idées, les valeurs que ces acteurs sont en train de vendre, entre guillemets, aux électeurs, quelles sont les dynamiques euh, social, politique, culturelle qui sous-tendent aussi le processus électoral, parce qu'il est de votre devoir en tant que journaliste, en tant que média, de euh, d'accéder le public à une information de qualité, à une information euh, plus ou moins bien structurée, bien calibrée. là, on fait appel au principe d'équidistance, au principe d'objectivité, même si euh, je suis un peu nuancé par mhm. rapport au principe d'objectivité, mhm. mais euh, surtout au principe euh, d'équité, d'impartialité. Mais autre chose, mhm. nous sommes également dans un contexte, si je raconte <laughs> des contre-vérités, vous pouvez me corriger. nous avons rarement des rédactions qui sont constituées en desk. Parce que dans certains contextes, vous avez des desks politiques où mhm. là, vous avez des journalistes qui sont aguerris, qui sont pourvus d'une certaine expérience mhm. et qui ont développé aussi certaines familiarités avec les acteurs politiques et qui sont plus à l'aise, mhm. qui ont euh, à, traiter euh, de cette information. Nous n'avons pas cela et euh, c'est pour cela que euh, les efforts comme ceux déployés actuellement par différents acteurs, que ce mhm. soit les organisations socio-professionnelles mhm. comme la Maison de la Presse ou les instances de régulation comme le CSC ou d'autres partenaires euh, au développement des médias, c'est en cela, dis-je, que les, les, renforcements de capacité est important. Le renforcement de, de capacité parce que mhm. la formation et euh, je reste aussi nuancé par mhm. rapport à la notion de formation euh, au vu euh, du temps. Mhm. mais on peut renforcer les capacités des gens en leur rappelant ce sont des rappels par rapport aux principes, ce sont des rappels par rapport au contexte, ce sont des exhortations aussi mhm. à la culture de l'information qui contribue à la construction euh, d'une société euh, paisible à la construction de ce qu'on appelle la paix sociale, comme l'a dit euh, Ismaël tout à l'heure. Je propose à présent de suivre les avis de quelques journalistes recueillis par rapport à leur rôle dans le processus électoral. La réussite justement de ce processus dépendra surtout du comportement des médias et c'est en ce sens que je dis que effectivement les médias tout comme les journalistes ont une grande responsabilité dans le cadre de la conduite de ce processus. Parce que souvenez-vous, il y a eu des pays, où l'expérience euh, a quand même permis de démontrer que euh, le comportement des médias peut beaucoup influencer sur la vie, n'est-ce pas, de tous les jours euh, d'une nation, d'un pays. Il y a également en période électorale certaines informations, ou même si vous tenez une information vraie, mais une information qui peut euh, amener des crises, des informations à caractère ethnique, régionaliste, ces informations, il n'est pas favorable, il n'est pas dit à un journaliste aujourd'hui de diffuser une information à caractère régionaliste ou à caractère ethnocentriste. C'est très important pour un journaliste de connaître quelle est l'information qu'il doit diffuser et quelle information il ne doit pas diffuser. Pour ce qui est des conséquences, quand je prends le promoteur de ce média, peut-être que le, promoteur de ce média a une affinité avec un parti politique et que ce média veut s'acquérir le droit de diffuser une information en leur faveur, le journaliste doit faire très attention. C'est des conséquences et nous voudrons que ces, ces patrons de médias, ces hommes politiques comprennent que le journaliste n'est pas un objet où on peut l'utiliser comme on le veut. Non. C'est la presse qui relaie les informations, c'est la presse qui est avant, pendant et après euh, les élections à, pied d'œuvre, tout simplement pour relayer les informations d'ici et là. Et le journaliste a un très grand rôle à jouer dans ce processus électoral. Pourquoi Parce que en tant qu'acteur de la presse, nous sommes appelés à relayer des informations vraies et crédibles, des informations qui ne vont pas euh, créer des soulèvements populaires. Nous devons aller à la source des informations avant de les publier. Nous sommes là aussi pour jouer un rôle de, de, de un, facilitateur, hein, un facilitateur, parce que eh, si nous n'arrivons pas à diffuser des, vraies informations, si nous n'arrivons pas à, mieux jouer notre partition dans ce processus électoral, euh, je vois que vraiment eh, ça veut dire que nous n'avons pas de, la valeur intrinsèque. Monsieur Lawel Salaw Ismaël, euh, vous venez là donc euh, de suivre euh, quelques avis des journalistes par rapport à leur rôle dans le période électorale. Quel commentaire donc faites-vous de ces avis des journalistes Alors, je conviens avec tous ce ces confrères que justement ils ont conscience du rôle qu'ils doivent jouer, de leur responsabilités et quand je parle de responsabilité, je parle à la fois de la responsabilité morale en tant que journaliste, de la responsabilité sociale en tant que membre de la société, et aussi de la responsabilité juridique, puisqu'elle parle de relais de l'information. Quand on relaie les informations, il faut savoir les traiter. Monsieur Abou a dit, a insisté sur le traitement de l'information. Et le plus souvent, c'est ce qui fait défaut. Mais euh, là où ça rassure au cours de cette période, Jibril a commencé à l'évoquer, ce que le Conseil supérieur de la communication balise les choses au cours du processus électoral, surtout pour garantir l'accès des partis politiques, des groupements des partis politiques et des candidats aux médias publics. Et également par rapport aux médias privés, il y a une obligation d'observer le pluralisme d'opinion et l'équilibre de l'information. La particularité de la période électorale, c'est que, au cours de cette période, les messages, les discours qui sont produits par les acteurs politiques sont sous la responsabilité du CSC qui valide, puisqu'il y a une validation préalable. Il y a une validation préalable, vous ne courez pas à gauche, à droite, non. Les messages sont calés puisqu'ils doivent être conformes au code électoral. Et une des consoeurs avait évoqué euh, le fait que euh, euh, on ne doit pas diffuser des propos ethniques à caractère mhm. régionaliste, et euh, euh, religieux. Mhm. Ça, c'est le code électoral qui dit mhm. les harangues, les sermons, les incitations, tout ça là, c'est banni. Donc, pour voir le contenu du message du candidat ou du parti politique, s'il respecte les dispositions du code électoral, le CSC vérifie. Et s'il y a des rectifications à faire, on dit aux acteurs politiques de rectifier. De la même manière, les attributs de la République ne doivent pas être utilisés au cours de la campagne électorale. Mhm. Ça, c'est le code électoral qui mhm. dit. Et le CSC veille à ce que ça ne soit pas mhm. dans les, messages ou dans les portraits qui sont réalisés par les partis politiques. Donc, on accompagne les journalistes avec un code de bonne conduite, avec tous les textes qui ont été adoptés par le Conseil supérieur de la communication et qui donnent les différents formats, justement, qui doivent faire l'objet euh, de, couverture médiatique de la part donc des, médias publics surtout. Mhm. et ce également donc à leur propre initiative pour les médias privés les principes qu'ils doivent euh, qu'ils doivent respecter. Voilà. Monsieur Suleiman Bra, qu'est-ce qui retient donc euh, votre attention dans ces interventions des, journalistes Moi, c'est surtout la question de la manipulation. Mhm. je pense que si les journalistes aujourd'hui euh, sont conscients du rôle qu'ils doivent jouer dans ces processus. Et nous, ça euh, doit être une satisfaction pour nous parce que euh, à chaque fois, la maison de la presse essaye quand même de renforcer les capacités des confrères, que ce soit ici à Niamey ou bien à l'intérieur du pays. Donc, si déjà il y a une certaine prise de conscience, nous, on ne fait que se réjouir et driquer nous allons aussi continuer à faire en sorte que d'ici là, et même après les élections, que les journalistes, que leur euh, capacité soit remportée. Monsieur Abouadi, vous avez suivi donc euh, ces journalistes que nous avons pris un peu dans, les différents organes. Quels commentaires faites-vous de ces interventions Je dois dire que ces journalistes euh, mm-hmm. ont bien parlé. D'après leurs propos, c'est des mm-hmm. professionnels. Mm-hmm qui sont en train de, travailler au niveau de leurs médias. Mhm. Euh, par ailleurs, je dois signaler que le Niger est un pays béni. Mhm. Et la démocratie, ainsi que euh, le pluralisme médiatique mhm. que nous avons ici, c'est une chance pour nous. Ce qui se passe ailleurs Bon, c'est vrai, il faut faire attention, il faut attirer l'attention des uns et des autres. Vous voyez, les médias sont à la base de ceci et de cela. Hein. Et nous, nous ne sommes pas des extraterrestres pour dire que non, ça va jamais nous arriver. Il faut attirer notre attention, mais nous avons une culture solide qui est là, la culture nigérienne, hein, qui ne nous permet pas d'aller au-delà de certains propos. Hein. on parle de de comportements ethnocentriques, de comportements tribalistes qu'on diffuse dans les médias. Ce n'est pas le cas au Niger. Mhm. C'est rare. Même si ça arrive, c'est rare. Donc, de ce point de vue-là, hein, mhm. il n'y a pas de problème pour la presse nigérienne. Mhm. Salou vient de dire que le terrain est balisé. aussi l'a dit, qu'il y a beaucoup de textes qui nous permettent de travailler dans de très bonnes conditions mhm. sans avoir à rendre compte au juge ou à la police. Mhm. Et Suleiman mhm. a également dit que vraiment le renforcement des capacités qu'ils font est en train de, de prendre corps. Hein? sur la base de tous ces constats-là, moi franchement, je suis optimiste pour la presse nigérienne. Je pense que nous allons vivre de bons moments avec nos journalistes qui ont été bien formés, qui ne viennent pas d'ailleurs, hein, qui ne viennent pas des, c'est pas des gens qu'on a formés sur le tas, mais ils sortent là pour la plupart, en tout cas de ceux qui font le métier. Ils ont été formés dans des centres de formation, dans des écoles de formation de journalistes, et il n'y a pas de problème. Voilà. Le rôle et la responsabilité du journaliste sont accentués durant les élections, une période où, en raison des enjeux qui en sont liés, les candidats sont susceptibles de commettre des accès dont les conséquences sont parfois imprévisibles. Comment garantir l'équilibre dans le traitement et la diffusion de l'information en période électorale, M. Seydou Je pense qu'on a sensiblement abordé euh, cet aspect euh, dans les interventions antérieures, mhm. euh, mais je voudrais surtout insister sur, disons, une attitude basique mhm. du journaliste par rapport à ce qu'on appelle les faits, mhm. par rapport à ce qu'on appelle l'information. L'attitude basique, c'est que le journaliste doit être à équidistance par rapport aux faits il doit avoir une certaine distance aussi par rapport à certains faits. Mais mhm. par rapport à certains acteurs, il doit également avoir une certaine équidistance. Mhm. Ce qui lui permettra d'avoir une certaine équité, ou si vous voulez, une certaine euh, objectivité ou un certain équilibre dans sa manière de traiter. Mhm. C'est-à-dire on collecte, c'est-à-dire on part, on cherche l'information, mais le traitement, c'est là où le journaliste doit faire preuve, en tout cas, de toute sa capacité euh, en termes euh, de, comment on appelle, d'aptitude à produire de l'information qui réponde aux critères, euh, j'allais dire, sacro-saints qu'on attend d'une information. Donc, les, journalistes doivent cultiver, en tout cas, cette attitude de, distance par rapport aux faits, de distance par rapport aux acteurs. Bien évidemment, si le journaliste veut être partie prenante dans le processus électoral, par exemple le journaliste en tant que citoyen a bel et bien le droit d'avoir une opinion politique ou disons même une opinion partisane, mais à ce moment, il doit se démarquer Là, ce n'est plus euh, le journaliste, mais peut-être c'est le communicant ou je ne sais pas le chargé de communication, parce que il ne faut pas créer cette confusion mhm. de voir que Abou Adi ou Suleiman Bra, euh, qui sont journalistes, de les voir aux côtés d'un candidat et de, de, de, de comme porte-parole ou je ne sais pas de faire de la communication et penser qu'ils font du journalisme. Non, il faut que euh, le, les gens aient une certaine aussi honnêteté euh, pour assumer, en tout cas, leur position. Et parce que souvent, il y a, euh, on reproche aux journalistes d'avoir cette euh, euh, cette attitude ambiguë où on n'arrive pas à dissocier le journaliste du communicant. Voilà. Salam Ismaël, un guide de bonne conduite des journalistes a été élaboré par l'Organe national de communication ONC lors des élections précédentes de 2016 pour faciliter la compréhension de leur mission et pouvoir bien exercer le travail dans le processus électoral. Est-ce que donc ce guide existe-t-il encore Est-ce que aussi vous pouvez donc nous rappeler les grandes lignes de, ce guide <clears throat> Il y a bel et bien un guide euh, qui a été élaboré euh, tout récemment, mm-hmm. donc et qui est en train de faire euh, l'objet d'une édition spéciale mm-hmm. et qui sera mis à la disposition des journalistes. Mm-hmm. Le guide en réalité reprend les devoirs des journalistes qui sont contenus dans la charte des journalistes professionnels du Niger. Les journalistes nigériens ont une charte Ensuite, il y a également une autre charte qui est celle de l'Observatoire nigérien indépendant pour, euh, des, médias pour l'éthique et la déontologie. Donc, et tous ces deux textes-là découlent de la charte de Munich de 1971, qui est la base fondamentale. Donc, on n'a fait que ressortir quelques principes de base. Jibril a évoqué ces, principes de base-là. Certains médias, notamment internationaux, élaborent des chartes internes à leur organe. et donc le principe de base, c'est l'équilibre de l'information. Mm-hmm. Et je crois que vous-même, vous devez avoir une charte mm-hmm. au niveau du studio Kalamou. Mm-hmm. Et la principale base, c'est l'équilibre de l'information. Cette période-là, sa caractéristique, ce que euh, les journalistes qui ont parlé ont parlé de risques d'instrumentalisation. Les acteurs politiques sont toujours tentés de vous transformer en propagandiste ils sont toujours tentés. C'est tout. C'est naturel. C'est naturel que vous vous relayez leur message, que vous soyez eh, juste un objet de propagande pour eux. Mais c'est à vous de faire preuve de responsabilité et c'est à vous de leur démontrer, puisque la crédibilité d'un journaliste repose sur son objectivité et sa neutralité. Oui, mais c'est En cas donc du non-respect de ces tests, notamment l'éthique et la déontologie, à quoi donc doit s'attendre le journaliste Mais à une sanction naturellement, puisqu'il a violé <laughs> les, textes. Mhm. Euh, le CSC n'est que dépositaire de la charte des journalistes professionnels du Niger. Mhm. Et c'est elle qui l'applique mhm. en cas de faute. L'ONIMED également a sa charte. Et c'est elle qu'elle applique en cas de manquement à, certains. Alors, euh, au-delà, le, CC peut aller plus fort puisque lui, c'est lui qui donne la carte de journaliste professionnel du Niger. Donc, il peut aller de sa suspension jusqu'à son retrait en cas de violation. Donc, si on, vous êtes suspendu, c'est votre crédibilité qui prend un coup, mhm. puisque ça veut dire que professionnellement, vous n'êtes pas préparé à, à exercer le métier. D'accord. Monsieur, quelles sont les difficultés que peuvent être liées au processus électoral, notamment dans la recherche et le traitement de l'information, monsieur Abouadi Bon, les difficultés, euh, elles peuvent être nombreuses. Hein. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est par rapport au comportement des hommes politiques. Je suis vraiment optimiste vis à -vis des journalistes, mm-hmm. de la presse, parce que c'est des gens qui ont été formés et actuellement, il y a un programme de renforcement des capacités mhm. hein, qu'on est en train d'exécuter pour qu'ils puissent faire leur travail. Le comportement des hommes politiques. Mhm. De façon mhm. spontanée, il y a l'homme politique qui dit des choses inexactes ou bien que les journalistes n'ont pas droit. je, je, je, voudrais, je voudrais juste euh, parler des difficultés. Et par rapport aux difficultés, je pense que euh, par rapport au contexte mhm. nigérien, il y a une difficulté d'accès à l'information mhm. en, en, période électorale, mhm. accès à l'information euh, l'accès aussi aux candidats, parce qu'il est arrivé des moments où il y a eu des altercations aussi mm. entre des, des, journalistes qui sont à tort ou à raison estampillés comme euh, X, euh, étant proche de X ou Y. Et, comme, et donc, il y a, y a surtout cette difficulté. Mm. L'autre difficulté, c'est que nous n'avons pas malheureusement en, en 25 ans de mm. pratique démocratique, nous n'avons pas encore développé une forte culture de production de programmes mhm. euh, politiques de campagne. Tous les candidats ou tous les partis vous disent que nous avons un programme, mais souvent, euh, ce n'est pas, vous avez rarement des programmes édités que vous pouvez consulter, que vous pouvez euh, examiner, ausculter. souvent, ce sont des, des programmes déclamés comme ça, ce sont des grandes lignes. Et euh, les partis ont rarement aussi euh, ce qu'on appelle euh, le porte-parole c'est-à-dire vous avez au niveau de certains partis un problème de structuration. Et c'est d'autant plus délicat que au niveau du CSC, e, si je me permets, que par rapport au principe même d'accès équitable euh, aux médias publics. Euh, vous savez, on veut bel et bien mettre tous les candidats euh, sur le même pied d'égalité, mais il se trouve que souvent, même par rapport au meeting, vous pouvez trouver des mm. candidats qui, n'ont pas, euh, qui n'animent même pas de meeting. Donc c'est très difficile souvent pour les médias, surtout vous qui travaillez dans les médias publics, Merci, euh, c'est Monsieur Ibrahim Sleman Abra, quelles sont les bonnes pratiques euh, que les journalistes doivent privilégier et celles donc qu'ils doivent bannir en processus électoral Rapidement, le temps est compté. Oui, moi je pense que les bonnes pratiques, les bonnes pratiques c'est d'abord de donner vraiment une information équilibrée, une information mhm. de qualité, de qualité, ne pas être euh, un propagandiste, mhm. de ne pas accepter d'être euh, manipulé, d'observer cette euh, impartialité. Mhm. Maintenant, les, mauvaises, ces mauvaises pratiques, c'est surtout la question de la corruption, d'être quand même, en fait, d'utiliser d'autres méthodes euh, pour quand même euh, avoir cette information ou bien d'aller faire du chantage, essayer de diffamer un tel. Bref, vraiment, il y a des choses que le journaliste ne doit pas quand même se permettre de les faire. Et il y a une question ou un sujet aussi, quand même, qui n'est pas anodin. C'est-à-dire, on a les textes, on a quand même les bons textes. Il y a cette euh, charte qui est là, il y a ce renforcement des capacités on est là en train chaque fois de faire au niveau de la maison de la presse et au niveau du conseil de la ça Mais le problème qui se pose, c'est surtout cette question de bipolarisation mhm. de la presse ou cette politisation à outrance de la presse qui fait en sorte qu'on observe quand même un certain nombre de comportements qui ne sont pas. Et de l'autre côté, il y a aussi la question de la régulation. Tout à l'heure, vous avez eh, évoqué eh, la sanction. Mhm. Moi, je pense qu'à un moment donné, comme c'est des textes c'est vrai, je ne dis pas, au, je ne dis pas que le CC doit être les mais quand même, quelque part, il faut aussi appliquer les textes pour au moins que les gens sachent, sachent qu'on est là en train euh, d'appliquer les textes. Les gens doivent quand même observer euh, les textes. Vous voulez parler, M. Oui, je voudrais dire un mot concernant mhm. les hommes politiques. Euh, l'information ou la communication à plusieurs acteurs. Mhm. Nous, qui sommes des journalistes, euh, nous sommes une partie hein, de ces acteurs-là. Il y a des hommes politiques qui, souvent, nous créent des problèmes. Parce qu'un tel a dit telle chose à, un meeting ou qu'il a fait en direct, mhm. on dit non, c'est la presse. Donc, il faut lancer un appel. Mhm. Un appel à l'endroit de ces hommes politiques-là qu'il faut être responsable chaque fois qu'on s'adresse hein, euh, en présence des journalistes, qu'on s'adresse à la population en présence des journalistes. Ça, c'est ce que je veux dire. Euh, Monsieur Salov, les défis et les perspectives, nous sommes presque à la fin de, Franchement, euh, il y a de nombreux défis à relever. Les journalistes nigériens ont été en tout cas, ont donné la preuve mhm. qu'ils peuvent relever ces défis, mhm. que ce soit donc au cours des élections de 2010-2011 mhm. et au niveau du cycle électoral 2015-2016. Ils, ont ils en ont donné la preuve. Il y a eu peu de dérapages. Et je pense que ils peuvent continuer dans la même trajectoire avec l'accompagnement qu'il y a eu et de la part du CSC et des organisations sous-professionnelles des médias et c'est de refuser d'être des instruments de propagande. La rigueur dans le traitement de l'information en cette période électorale de façon à assurer leur crédibilité. Puisque quand euh, Jibril a évoqué cette question-là où des journalistes sont indexés, quand ils partent pour la couverture, on dit ah, ce n'est pas les nôtres. Dès que vous arrivez au stade où on dit ce n'est pas les nôtres, mhm. ça veut dire que vous faites mal votre travail revenez à l'impartialité, à la neutralité, à l'objectivité, à l'équilibre de l'information et surtout, ceux qui condamnent les journalistes nigériens, c'est que c'est la nuance qu'ils ne font pas entre l'information et le commentaire. Puisque on vient, on, fait, aujourd'hui vous décidez de faire un éditorial, de prendre position par rapport à un événement, vous avez tout à fait le droit de le faire mais dites aux gens que c'est votre opinion. Dites aux gens que c'est votre opinion. Et on ne va pas faire la confusion entre l'information qui doit être objective et qui doit répondre à un certain nombre de normes et l'éditorial que vous faites. Et c'est ça la confusion généralement qui intervient au cours du, du procès électoral qui sème l'ambiguïté elle entre, euh, au niveau de certains organes de presse qui sont taxés d'être de tel ou tel bord. Nous sommes donc à la fin de ce forum du studio Kalangou sur le rôle des journalistes dans le processus électoral. Vous avez donc euh, suivi les interventions de nos invités. Les journalistes jouent donc un grand rôle dans le, dans le traitement, la collecte et la diffusion de l'information en période électorale. Nous étions en compagnie de Suleiman Bra, représentant de la maison de la presse, euh, Seydou Jibril, euh, journaliste, Monsieur Habouadi, journaliste à la voix du Sahel, et Lawal Sawalaou Ismaël, conseiller technique au Conseil supérieur de la communication. Donc, euh, c'était donc Fatih Zakari à la présentation. La réalisation était assurée par Adama Dawati, la technique Amina Hassan.